Chers auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Ce soir, nous allons parler du thème vers euh, l'abolition de la peine de mort au Niger, avancées et obstacles. Également appelée peine capitale, la peine de mort est une peine prévue par la législation de certains pays consistant à exécuter une personne reconnue coupable d'une grave infraction par une institution judiciaire à l'issue d'un procès. Une peine ayant des considérations variées dans le temps et dans l'espace elle est présente dans les textes juridiques les plus anciens de l'Antiquité, comme la loi pénale babylonienne appelée Code de Hammurabi, 1750 ans avant Jésus-Christ. En 2020, au moins 18 États ont procédé à des exécutions, tandis que 54 pays au total ont prononcé des condamnations à mort. Au Niger, comme dans nombre d'autres pays, les abolitionnistes continuent le combat en faveur de cette euh, abolition. Le Niger a prévu la peine de mort dans son code pénal et son code de justice militaire, mais ne l'a plus appliquée depuis 1976. Quelles sont les avancées réalisées contre l'abolition de la peine de mort au Niger Quels sont les obstacles à relever pour que l'abolition de la peine de mort soit une réalité au Niger pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir euh, ce soir Monsieur Al-Mokhtar euh, Garbe Ilou. Il est le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Monsieur Moumouni Al-Fari, que nous avons en ligne au téléphone, il est le président de ACAT Niger, une ONG nigérienne de défense des droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort. Et enfin, notre Troisième invité est Al-Mustafa Moussaïdé, ancien commissaire de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Il est donc euh, défenseur euh, des droits humains. Nous avons également invité le ministère de la Justice à ce forum pour être mieux édifié sur la position de l'État du Niger sur la question, mais le ministère n'a pas répondu présent à notre euh, invitation à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, al Garba, président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, que signifie la peine de mort Merci, Monsieur Deji. Effectivement, tu l'as déjà dit, la peine de mort est une peine capitale prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été coupable d'une faute qualifiée de crime capital la sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. Mhm. Comme vous l'avez dit, euh, au nom de la coalition nigérienne contre la peine de mort, dont nous avons eu l'honneur de représenter aujourd'hui, mhm. il fallait le dire, euh, la peine de mort euh, est perçue comme un crime odieux mhm. à titre universel. Et ici, nous, au niveau de notre coalition, notre action, c'est de défendre le droit à la vie. Mhm. qui est le droit le plus fondamental de tous les droits. Prévu dans la Constitution. Prévu dans la j'allais en venir à ça. C'est mhm. pas nous qui inventons, nous n'avons rien inventé, mhm. nous plaidons et nous sensibilisons l'opinion publique et l'autorité nationale juste pour le respect des dispositions de la Constitution de la 7e République du Niger, qui stipulait dans son article 10 que la personne humaine est, sacré, mm. l'État a l'obligation absolue de le protéger et de lui garantir un plein épanouissement. Mm. L'article 12 continue et l'article 11 pour euh, plaider, et euh, pour, consacrer la sacralité de la vie humaine. Mm. Alors là, ce que nous constatons, la dimension euh, dans la pratique, dans les faits, nous constatons qu'il y a vraiment une violation des droits humains. La Constitution, qui est la loi fondamentale que le Niger s'est solennellement adoptée, cette conscience dispose que nul ne doit euh, ôter de la vie de quelqu'un, mm. comme beaucoup de livres saints et d'ailleurs presque tous les livres saints. Mm. Mais nous assistons jusqu'à aujourd'hui à des condamnations, malgré que le Niger n'a jamais exécuté euh, un condamné à mort depuis 1976. Mm-hmm. Le Niger est sous moratoire depuis 1987 nous le savons, c'est aussi euh, un des faveurs que nous avons. Mais ici, nous sommes là juste pour dire que nous devons tous respecter la loi fondamentale. En tant que Nigériens, en tant que patriotes, nous nous sommes fait ce devoir. Mhm. Merci. Vous avez présenté la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle euh, au Niger, mais nous avons également la situation au plan mondial. al Mustafa Moussidé, défenseur des droits humains, quelles sont les zones du globe où la peine de mort est plus appliquée de nos jours. Avant de répondre à votre question, eh, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un devoir qui consiste d'abord à vous remercier de l'honneur fait en nous convient à, ce forum. Merci. Et le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort a, a défini ce qu'est la peine de mort et il va falloir eh, peut-être dire ceci. En tout cas, eh, au Niger, on ne peut que s'en féliciter de l'engagement eh, de la coalition nigérienne contre la peine de mort et du mouvement abolitionniste avec l'accompagnement de certaines institutions pour effectivement engager ce combat eh, au plan national. Au plan mondial, aujourd'hui, c'est eh, la tendance universelle. Je me rappelle lorsqu'il y a eu euh, le congrès mondial pour l'abolition de la peine de mort en, Espagne, les pays européens allaient conditionner même leur aide à certains pays euh, en exigeant euh, peut-être l'abolition de, la peine de mort. En tout cas, il y a une tendance universelle mhm. aujourd'hui vers l'abolition de, la peine de mort. Mhm. ce qu'il faut dire, quand on, regarde aujourd'hui les, données statistiques, eh, on dénombre, eh, selon les données statistiques de l'Amnistie internationale, on a 108 pays qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Mm-hmm. Eh, il y a 8 pays qui ont aboli la peine de mort pour des crimes de droit commun. 28 mm-hmm. sont abolitionnistes en pratique 55 eh, pays sont rétentionnistes. Maintenant, les pays où la, chose stagne, où on assiste à l'exécution, eh, vous avez la Chine, vous avez l'Irak, vous avez eh, l'Égypte. ce sont ces pays-là qui ont plus exécuté mhm. des, des, personnes condamnées à mort. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, au plan international, les gens sont en train de batailler pour aboutir véritablement à, l'abolition de la peine de mort. je suis très bien placé pour le dire parce que eh, nous étions eh, à la CNDH comme euh, commissaire et nous avons eu à gérer eh, cette euh, thématique-là. Mm-hmm. Et le travail que nous avons abattu avec euh, la coalition nigérienne contre la peine et le mouvement abolitionnistes ont permis effectivement à notre pays, à, défaut de d'abolir la peine de mort, en tout cas a permis à notre pays d'être en tout cas un exemple. Au Niger, malgré l'existence au niveau du code pénal de ce dispositif, une fois que la peine est, prononcée par les, juridictions, parce que c'est contenu dans le code pénal, ça veut dire que le magistrat peut à tout moment, le juge peut à tout moment euh, prononcer, cette peine. Mhm. Mais automatiquement, il y a un décret présidentiel qui, qui commit mhm. toutes ces peines-là à, des condamnations à vie, à des condamnations perpétuelles. Je mhm. pense que c'est là où il faut saluer le travail abattu au Niger par. que euh, le dernier mot, le dernier au, président, de la République. Et ça, euh, nous l'avons obtenu mhm. grâce au combat, euh, je l'ai dit, parce que je dis à la CNDH, nous, avons géré ce dossier. Et à tous les rendez-vous importants au plan mondial, la coalition nigérienne contre la peine de mort et le mouvement abolition nous ont saisi, nous, à la CNDH, et on a pu ensemble faire le plaidoyer pour que le Niger, au moins, puisse préserver les acquis c'est l'occasion de saluer aussi euh, euh, l'ancien ministre de la Justice. Euh, monsieur Moro qui est aussi un grand abolitionniste, et il a beaucoup contribué. en tout cas, je pense que c'est devenu un acquis. Au-delà de, ce décret, il y a le vote du moratoire mhm. qui s'effectue chaque deux ans au niveau des Nations Unies. Et là, comme la coalition était chaque mois en contact avec le, monde abolitionniste. Mhm. Donc, ils avisent les autorités et ils avisent la, Commission nationale des droits humains et ensemble la synergie est créée pour que en, tout cas ce taquet là on puisse euh, le, préserver. Durant les quatre ans, voilà M. Euh, Monsieur Michel Deji et, euh, mhm. ce que nous avons pu faire et la coalition a su aussi, il faut le dire aujourd'hui, la coalition a su mettre à l'époque, la, Commission nationale des droits humains avec le mouvement abolitionniste mondial pour pouvoir eh, eh, mener le plaidoyer. Ainsi, grâce à cette coalition, la Commission était conviée presque à toutes les grandes rencontres internationales de, l'abolition de la peine de mort. Donc vous conviendrez avec nous que vraiment, il y a un effort qui a, qui a été abattu par la coalition nigérienne contre la peine de mort à l'époque, le président sortant de la CNDH a tenu quand même à, le remercier pour euh, ce travail abattu. Le professeur Khalid écrit, Et je mhm. pense que euh, euh, nous allons, l'État étant une continuité, je pense que nous allons, avec la coalition, avec les nouveaux commissaires, ce cap-là, nous allons le maintenir pour permettre à notre pays de ne pas être cité comme mauvais élève dans, ce combat pour l'abolition de la peine de mort. Merci à vous. Al-Mustafa Mousseide, défenseur des droits humains. Nous avons en ligne, nous vous l'avions dit, Moumoun Al-Fari, il est le président de ACAT Niger, une ONG nigérienne de défense des droits de l'homme pour euh, l'abolition de la peine de mort. Alors, président, le Niger est un État qui a toujours euh, dans son code pénal la peine de mort bien que mhm. l'on y dénombre euh, que peu de condamnations à mort, et la dernière exécution capitale remonte à 1976. Quelles sont les grandes avancées réalisées par le Niger dans la lutte contre la peine de mort Pour ce qui concerne euh, les avancées, euh, nous pouvons, de notre point de vue, citer déjà le fait que depuis 1976, il n'y a eu aucune exécution de, la peine de mort au Niger, mhm. c'est déjà inavancé puisque euh, les autorités n'ont pas jugé utile de, passer à l'acte. Mhm. Le deuxième euh, élément, c'est que euh, même les magistrats nigériens ont observé ce moratoire-là mhm. pour prononcer donc la condamnation à mort de, 1900. C'est-à-dire pendant toute cette période, même si la condamnation est annoncée, et, eh, eh, la condamnation est commise en peine eh, à vie ou en peine à perpétuité. Ça aussi, c'est une avancée de la part du Niger. Mm-hmm. Et il y a la conscience qui sacralise la vie, c'est une mm. avancée, puis faire en sorte qu'aujourd'hui, euh, dans notre euh, loi fondamentale, euh, il, n'est plus possible, sur la base de la loi fondamentale, de doter la vie à un Nigérien. Mhm. l'autre avancée, c'est l'adoption du moratoire sur les exécutions sommaires auquel le Niger a voté en 2018 mhm. et en 2020 le Niger s'est abstenu c'est une avancée que le Niger euh, ne soit <laughs> parmi les États qui ont opté pour la condamnation à mort au, niveau des Nations Unies. Donc nous pensons que c'est une avancée dans ce sens-là. L'autre avancée pour euh, c'est le débat, c'est le débat qui est aujourd'hui permis. Aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit sur les ondes comme nous le faisons aujourd'hui sur Kalangou, en public, que ce soit dans les conférences. C'est possible de, débattre de la question de la peine de mort au Niger sans être taxé d'être euh, avec euh, certaines organisations occidentales. Mhm. Donc, euh, tout cela montre quelque part qu'il y a des avancées. Aujourd'hui, les religieux, que ce soit chrétiens comme musulmans, tout le monde euh, euh, se lance dans le débat, tout le monde dit son point de vue et nous pensons que c'est là les avancées qui vont certainement conduire à l'abolition de la peine de mort au Niger. Il y a aussi que euh, les pays limitrophes du Niger ont presque tous aboli la peine de mort. Il s'agit du, du, Tchad, du Burkina Faso, du Bénin, euh, donc, euh, le, bon, le Togo, euh, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, vous avez beaucoup de pays, le Libéria, la Guinée, le Sénégal. Donc tous ces pays-là ont aboli la peine de mort en dehors de l'Algérie, hum, la Libye. je ne vois pas un pays proche du Niger qui maintient donc la peine de mort dans leurs euh, dispositions pénal. Vous avez dit à l'instant que de plus en plus, les leaders religieux même s'intéressent à la question. Est-ce qu'ils sont mm. pour ou contre la peine euh, de mort, les oulémas par exemple Pour ce qui concerne l'échec euh, éminent de, de la confrérie hygiénienne, avec lesquels nous avons eu à faire des débats, pour ne pas citer leur nom, ces gens-là sont contre la peine de mort. Ils ont montré que dans l'islam, on dit que le pardon est la règle d'or. D'autres branches de la religion musulmane, elles demandent euh, la loi de Talion, mais nous pensons que euh, pour la, majorité des, religieux, c'est qu'il y a la question de la dia, la question de la réparation qui doit primer, la question du pardon qui doit primer comme euh, de la religion chrétienne où il est quasiment impossible de parler de la loi de Talion parce qu'on dit euh, nous devrons pardonner. Si nous ne pardonnons pas, notre Père céleste, Dieu, ne pardonnera pas aussi. Hmm. Donc, euh, si Dieu ne peut pas nous pardonner lorsque nous refusons de pardonner aux autres, si Dieu ne peut pas faire la rémission de nos péchés lorsque nous ne euh, pardonnons pas aux autres leurs péchés, nous voyons qu'il y a donc euh, une obligation à, tout chrétien ou à tout être à pardonner pour avoir la clémence, la miséricorde, la grâce de Dieu. Merci à vous, Monsieur Momouné Alfari. Al-Mokhtar euh, Garba Ilou, président de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Nous avons écouté le président d'Akat Niger qui a parlé de ses avis de certains religieux qui divergent quand même. À votre niveau, est-ce que vous avez euh, la même appréhension des leaders religieux Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cette euh, problématique euh, de la peine de mort Merci, monsieur Deji. Moi, je pense que la question est structurelle. Hein. Aujourd'hui, la question de l'abolition de la peine de mort n'est pas un défilé de mode que nous sommes en train de, pratiquer au Niger. Mm-hmm le monde est devenu à le monde continue d'être une tendance universelle, comme l'a dit le commissaire Al-Mustafa Moussa hmm. et mon précédent Al-Fari. Et la question est très simple. Hmm. Dès lors que la loi fondamentale auquel nous nous sommes souscrits, nous-mêmes, la Constitution du 25 novembre 2010, je l'ai dit, qui dispose d'un chapelet d'articles hmm. entraînant eh, ou bien eh, qui consacre la sacralité de la vie humaine, l'article 10, 11 et 12, vous voyez jusqu'à l'article 14 qui dit que nul ne doit être soumis mhm. à des traitements cruels, inhumains ou dégradants je pense que la question est résolue. C'est-à-dire, est-ce qu'ils adhèrent à votre combat euh, Je, je viens, nous sortons d'un forum national qui a, uh-huh. mis, qui a mis en exergue uh-huh. la, la, représentation de toutes les couches sociales. Il y a eu, il y a eu la participation très importante des, députés, des parlementaires. En témoigne même une allocution de la présidente du réseau parlementaire sur les questions des droits humains, mhm. la question des ulémas, la participation remarquable des religieux, des prédicateurs, euh, de, la jeunesse. L'opinion publique aujourd'hui nigérienne est avertie. Mm. Comme Al-Mustafa l'a dit, nous étions sur le terrain depuis des années. Nous passons à des conférences, à des tables rondes. On entend souvent, euh, comment dirais-je, un débat à, l'interne, à un moment près, comme Alpha l'a dit, nous étions taxés de peine de mort, nous étions taxés de tous les mots. Mais aujourd'hui, les avant, les gens nous appelaient peine de mort. On n'avait pas de nom, je ne m'appelais pas Mokhtar. Mhm. Au lieu de dire président Al-Mokhtar, on me dit peine de mort. Mais aujourd'hui, on dit les abolitionnistes. Mhm. Donc, c'est déjà un pas en avant pour dire que euh, aujourd'hui, est-ce que l'opinion publique adhère à notre combat mhm. ça, ça, a été démontré le 10 octobre. Nous avons fait tout un panel d'activités du, 5, mhm. au, du 5 au 10, au, octobre. On a, on a passé d'abord par euh, des activités à la maison d'arrêt, un point de presse national <coughs> et un forum qui a réuni tous les acteurs. Mais pour revenir à ta question qui te préoccupe, nous avons tiré euh, cette, euh, cette remarque au niveau des, des, musulmans. Voilà ce qu'ils pensent. Le, le, le Saint-Coran dit clairement, je cite, ôter une seule vie, c'est ôter la vie de toute l'humanité entière. Mhm. Sauver une vie, c'est sauver toutes les vies. C'est ainsi que Dieu, dans sa bonté, pour préserver la vie, il a, il a, il a ramené la, le kizas, terme coranique qui désigne la mise en exécution de la peine de mort et, vu comme un retour sur la vie par le Seigneur. Donc ça veut dire que aujourd'hui, euh, nous sommes dans un pays laïque, nous ne sommes pas dans un pays charia. Le langage est très simple. C'est vrai que c'est quand on va dans la charia qu'il y a certaines dispositions naturellement qu'on peut invoquer et je qui suis... disent autre chose. Je ne suis pas un prédicateur, mhm. mais ici, ce que, ce que nous a dit quand même les religieux qu'on a interrogés, qui étaient mhm. avec nous depuis six ans, mhm. comme Alfred l'a dit sans le répéter, ils étaient, ils étaient aussi contre la peine de mort parce que Dieu n'a donné la permission et, et l'autorisation à personne doté de la vie de quelqu'un. Notre constitution l'a interdit. Et mais pourquoi Jusque-là, nos, juridictions sont en train de le prononcer, bien qu'il a dit, effectivement, le Niger n'a jamais exécuté. Hmm. Mais notre problème aujourd'hui, Alfred a bien parlé des avancées, mais on a des difficultés. Nous ne pourrions pas comprendre que dans un véhicule, il y a deux chauffeurs la conscience a bien prôné la sacralité de la vie humaine, mhm. que nul ne doit ôter de la vie de quelqu'un. Nous avons la volonté de l'ancien président de la République, il fallait le dire, Mohamed youssef qui a pris un décret présidentiel depuis 2014 pour commuer toutes les condamnations à mort à des condamnations à vie. C'est un mhm. pas en avant, certes, mais malheureusement, malheureusement encore, nous avons une loi qui est là, qui est le code pénal, qui dispose de son article 242 à 243, tout un chapelet d'infractions entraînant à la sentence de mort. Mhm. Et vous l'avez vu, je l'ai défini. La peine de mort est perçue comme un crime odieux. Donc, alors, si le Niger doit aller dans sa volonté, parce qu'il faut, il faut aussi le dire, le Niger a, vraiment cette volonté. Nous souhaitons simplement et nous continuons de plaider pour qu'il y ait vraiment une accélération pour abolir définitivement à l'abolition de la peine de mort en révisant le code pénal. Mhm. Parce que nous ne pourrions pas comprendre la loi fondamentale a proclamé, a consacré la sacralité de la vie humaine et on a un article qui, euh, en termes euh, juridiques, euh, quelqu'un est condamné à mort quand il est suivi d'un complot d'assassinat, meurtre, viol, complicité en réunion avec arme blanche. Donc vous voyez, tous ces, tous ces lots d'infractions conduisent quelqu'un à, la peine de mort. Maintenant, dire que l'opinion publique adhère à notre combat, <laughs> nous l'avons démontré au forum mm. et au premier forum même que nous avons organisé en 2016 à Niamey. Comme nous l'avons dit, nous avons eu un gouvernement qui était eh, toujours avec nous, ah, depuis euh, le temps d'un l'ancien ministre, il fallait le dire, qu'on doit féliciter ici, qui était un aboliste fervent, qui a vraiment euh, contribué euh, aux efforts pour que jusque-là le Niger n'exécute pas la peine de mort. Ça veut dire que, selon vous, il y a une contradiction entre ce que la Constitution dit nous et ce que euh, le Code pénal prévoit. Véritablement, ce n'est pas une mm. contradiction, c'est une violation. Mm-hmm. Dès lors que la loi fondamentale consacre la vie et le droit à la vie est le premier droit de tous les droits humains, nous ne pourrions pas comprendre encore qu'il y a des dispositions, il y a des lois qui sont sous la loi fondamentale qui entraînent la, la sentence de mort. C'est une surprise. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il fallait le rappeler, le Niger mm-hmm. compte quatre condamnés à mort. Mhm. Le 10 octobre précédent, nous avons 5. Dans mais nous avons appris une que. femme, on va dire Oui, nous avons appris que celui de Zender, qui constitue le cinquième, a, a profité de la commutation de, en dernière minute. Mhm. Donc, actuellement, nous avons quatre condamnés à mort, deux qui croupissent à Niamey, deux hommes. Mhm. Une femme, pour la première fois au Niger, c'est encore un regret, il fallait le dire. Une femme âgée de 30 ans qui croupisse à Telaberi. Et euh, un homme euh, encore qui euh, faisait partie du lot du, groupe de, de, Saint-Nijigo qui a tenté de s'évader. Il devait profiter même de, la commutation euh, en 2021, du, décembre 2020, mais malheureusement, il a tenté de s'évader. Actuellement, il corpus. Donc, au total, actuellement, le Niger a aujourd'hui quatre condamnés à mort qui ont fait appel. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que le code pénal doit être révisé le Niger a signé beaucoup de conventions. Le mm. Niger a ratifié beaucoup de conventions. Et l'autre l'avait dit. Nous sommes surpris. Tous les pays aujourd'hui qui partagent les mêmes caractéristiques religieuses que le Niger, mhm. le Sénégal, euh, le, le, Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Tchad, le Libéria, etc., ont aboli la peine de mort. Mhm. Et les autres sont sur moratoire. Mhm. Le Mali, le Burkina Faso. Donc, euh, <laughs> bon diable, c'est tout. Vers le Maghreb, on a un peu la peine de mort. Oui, nous n'allons pas dans le sens d'imiter de la vie de quelqu'un, mais nous allons dans le sens de se conformer à la loi. Nous, c'est ça notre position. Merci, merci beaucoup. Al-Mustafa Mousside, défenseur euh, des droits de l'homme, quels sont selon vous aujourd'hui les grands obstacles à relever pour arriver à l'abolition de la peine de mort au Niger On a vu tout ce qui a été fait, mais malgré tout cela, ça n'a pas conduit à une euh, révision ou à la modification du code pénal nigérien qui prévoit encore la peine de mort au Niger. il est vrai, comme vous l'avez dit, les obstacles persistent et face à ces obstacles. D'abord, quels sont ces obstacles Les obstacles. honnêtement, je dois être honnête avec vous. Mhm. Entre obstacles, je pense que c'est cet aspect de vouloir se cacher devant des arguments qui ne tiennent pas la route. Mhm. Vous vous rappelez en 2000, en 2010 lors de la session du Conseil national de transition mhm. qui avait été, dirigée par, Moro Amadou. Mhm. Eh, une loi abolissant la, peine de mort a été introduite par à l'époque le général Salou, Salou Jibo. Mhm. Et le débat, on a suivi le débat. Et beaucoup se sont cachés sur des, arguments qui ne tiennent pas la route. Et on est parti au vote. Et malheureusement, eh, les abolitionnistes ont perdu eh, devant certains. Eh, certaines. Les gens ont avancé certaines traditions pour, ne pas pour dire que la population nigérienne n'est pas prête pour abolir la, peine de mort. Ça a été un obstacle et les gens continuent encore à se, à se cacher derrière cet argumentaire-là, malgré que ça a été, tout, tout, a été démontré par le, président de ACAD Niger et le président de la coalition mhm. contre la, peine de mort. Nous, sommes convaincus, ah, ah, eh, ils l'ont démontré, nous avons une constitution qui, qui, consacre la sacralité de, de la vie. Mhm. À partir de cet instant, c'est d'adopter ou d'adapter eh, notre, nos, textes juridiques à cette euh, constitution-là. Mhm. Mais c'est avec beaucoup de regrets on a constaté, on a constaté la, tenue des États généraux au niveau du ministère de la Justice. Il aurait fallu tout simplement à ce niveau que eh, toutes, les dispositions, toutes les dispositions que le président Al-Mokhtar a eu à, citer, mhm. que les gens les, revisent. Mhm. Et on a vu dans certains pays, à défaut d'avoir cette loi qui abolit la peine de mort, les gens ont révisé toutes les dispositions du code pénal. je pense que c'est dans cette logique que notre pays devait s'inscrire. Et aujourd'hui, une des stratégies que on devait mettre en place, c'est d'aller vers ça pour que eh, nous ayons eh, eh, vraiment l'abolition de la peine de mort à travers effectivement le, code pénal. On a vu aussi le travail abattu par euh, l'association des, jeunes euh, avocats mhm. qui ont saisi même la, la, la, la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas. Et là, on a vu aussi le, le, le, le verdict qui a été, qui a été donné. L'un dans l'autre, il va falloir, et moi je dis, pour être honnête avec vous, ce que je note, je note qu'il y, y, a une véritable absence de, de volonté politique. C'est comme si aujourd'hui, devant certains partenaires, on est prêt à abolir la, peine de mort. Mais au moment où la décision devait être prise, on se cache derrière des, argumentaires qui ne tiennent pas Vous dites bien la, que route. Ce que les pouvoirs publics disent souvent, c'est que la population n'est pas prête. Voilà, ça, c'est un faux argument qui ne tient pas la route. Mhm. et, Selon vous, la population est prête Non, monsieur Michel. Aujourd'hui, nous avons tous les arguments abolitionnistes que nous sommes, nous avons tous les arguments pour aller vers l'abolition de, de, de, la peine de mort. Lors du forum organisé par euh, la coalition nigérienne, on a eu à écouter des magistrats des, des, euh, et, nous sommes vraiment édifiés qu'effectivement, effectivement euh, c'est l'absence de, de cette volonté véritablement politique qui empêche euh, au Niger euh, d'abolir la peine de mort. Mais cela ne doit pas nous décourager en tant que défenseur des, droits humains et en tant qu'ancien commissaire. Et, nous nous disons que euh, c'est un combat que nous devons inscrire, Michel, dans la, dans la durée. Mhm. on ne doit jamais se décourager. on, va, continuer ce, combat. Et, Inch'Allah, moi, je suis vraiment optimiste. Je mhm. suis optimiste quant à l'abolition de la peine de mort au Niger. Merci Momoun Alfari, président de ACAT euh, Niger, cette ONG nigérienne de défense des droits de l'homme pour l'abolition de la peine euh, de mort. Pour nombre de défenseurs des droits humains, la peine de mort est considérée comme étant une pratique euh, dégradante qui viole les droits humains et particulièrement le droit à la vie, tel que ça a été dit d'ailleurs par les personnes qui vous ont précédé. Euh, dans la prise de parole Tous les États sont-ils unanimes à ce sujet Je pense que c'est oui. Les États sont unanimes qu'il faut défendre le droit à la vie. Mhm. Tous ont adhéré euh, à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que la vie humaine est sacrée. Mhm. OK Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire que tous les États sont d'accord qu'il faut préserver la vie. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des groupes de pression. Et ces groupes de pression, c'est euh, certains euh, groupes religieux mhm. ou certains groupes politiques, parce qu'il faut le dire. Certains font campagne sur euh, la peine de mort pour trouver des militants, etc., etc. Mhm. D'autres opposent donc les défenseurs des droits euh, humains euh, à la religion, c'est-à-dire les groupes religieux qui, qui sont contre l'abolition de la peine de mort, donc opposent les défenseurs des droits humains à la religion. Et les des politiciens peuvent opposer les défenseurs des droits humains à, la religion pour avoir des voix. C'est ça les obstacles auxquels nous sommes euh, confrontés. Il y a aussi les, euh, l'aspect culturel, parce que euh, malheureusement, dans, dans, notre, dans, les groupes ethniques au Niger, il y a des groupes ethniques qui, qui, qui, font de la vengeance, donc un honneur pour eux euh, notamment certains groupes ethniques du Nord, pensent que si on, tue parmi un membre de leur famille, ils doivent tuer. Donc, ils ne doivent pas accepter le pardon, ils ne doivent pas accepter euh, la DIA, il doit, etc. etc. Donc, la loi euh, œil pour œil. Dent pour dent. Mm-hmm. Donc, il n'y en a pas. Donc, mais il y a, par contre, de l'autre côté, et euh, des groupes ethniques qui disent il faut laisser à Dieu euh, de, trancher. Mhm. C'est à Dieu que doit revenir euh, la vengeance. Donc, nos États sont partants pour l'abolition de la peine de mort. Et c'est pour cela qu'il y a le projet de protocole africain sur l'abolition de la peine de mort qui a été qui, qui est en gestation et euh, qui certainement était hier, euh, j'ai vu, j'ai suivi euh, la visite de la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme au Niger qui, était venue demander le soutien de la CNDH et des autorités sur mhm. certains textes. Je sais que cette question du projet de protocole africain sur l'abolition de la peine de mort était l'un des sujets parce que on dit que la charte africaine ne peut pas dire que tout Africain a le droit à la vie et que dans les, codes de certains pays, on continue à garder la Vous trouvez donc qu'il y a contradiction à ce niveau également. Mais en tant qu'abolitionniste, quelle alternative proposez-vous à la peine de mort Les gens qui tuent, qui massacrent des personnes et qui eux-mêmes, il faut le dire, bafouent la mm-hmm. vie humaine, qu'est-ce qu'il faut leur faire Que proposez-vous à ce niveau vous savez, euh, l'abolition de la peine de mort n'est pas synonyme d'impunité. L'abolition de la peine de mort n'est pas aussi synonyme euh, d'injustice. Nous, nous pensons que euh, il y a des peines alternatives, notamment la condamnation à perpétuité. Mhm. Beaucoup de pays utilisent la condamnation à perpétuité. Il faut que nous nous, nous, faisions entendre. C'est vrai que nous, nous disons l'abolition de la peine de mort. Il aurait fallu dire euh, euh, <laughs> la condamnation à perpétuité mhm. et non l'abolition de la peine de mort. Nous sommes pour la condamnation à Ça veut dire que la personne continue à rester en prison jusqu'à sa mort. Jusqu'à la fin de sa vie. Mhm. Jusqu'à la fin de sa vie. Mais il y a des condamnés qui sont parfois libérés, on le sait même lorsqu'ils sont condamnés à vie. C'est à cause des, remises gracieuses de peine. Mhm. Donc, euh, de, la condamnation à, vie, on arrive à, une condamnation à 30 ans de prison, mhm. puis à une condamnation euh, puis à une libération lorsque la personne atteint les 30 ans, hmm. elle, est, elle est libérée. Vous trouvez euh, cela juste Nous, de notre point de vue, la société doit être protégée. Et hmm. protéger la, la société, c'est quoi C'est de garder ces criminels-là en prison jusqu'à jusqu'à jusqu'à la fin de leur vie. C'est faire justice euh, aux familles des victimes, mais c'est faire aussi euh, euh, preuve d'humanité en les gardant en vie jusqu'à ce que, le, sonne. Mhm. Donc, euh, nous pensons que c'est comme si euh, nous avons respecté le droit de, tout un chacun, le droit des victimes, mais mhm. aussi le droit du criminel qui a ôté la vie, parce qu'il a le droit de vivre. Donc, c'est plusieurs droits qui se rencontrent, et donc nous pensons que euh, on aura fait un pas pour euh, l'humanité. Et donc, euh, dans, tous les cas, ce que nous observons, si on peut amnestier des gens qui ont fait des coups d'État et qui ont tué, si on peut amnestier des terroristes ou des rebelles qui ont tué, etc., etc., on peut également amnestier ceux qui ont eu à commettre des crimes. Mmh. C'est-à-dire, on peut donc réduire leur condamnation en les Mais est-ce qu'ils ne constituent pas un danger pour la société Est-ce que vous pensez que le temps qu'ils passent en prison est un temps ou des temps qui suffisent pour qu'ils se repentent, si on peut le dire ainsi Oui, et vous savez, on était euh, à la prison civile de Zender et il y avait un condamné à mort qui a dépassé 19 ans mhm. et il tourne dans les il a plus de 60 ans, il dit que s'il fait 30 ans de prison même, c'est-à-dire que mieux vaut pour lui mourir que de, de garder prison mhm. jusqu'à l'âge de 80 ans ou jusqu'à l'âge de, de, 75 ans. Parce que quand il va sortir, euh, euh, il n'a plus de famille. Dans tous mhm. les cas, il a 19 ans, il n'a plus de famille. Mhm. Donc, euh, au-delà, il n'a plus de vie même. Lui, il, préfère, il dit qu'il préfère même mourir que de continuer à, à vivre en prison jusqu'à 30 ans. Donc vous voyez qu'il y a les remords. Il y a beaucoup de, de, de, de, criminels qui, et avec les années, regrettent ce qu'ils ont en Merci, on vous a bien compris. Merci beaucoup. Mm-hmm. Nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum de Studio Kalongo pour terminer, Al-Mokhtar président, Garba, président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, quelles sont les actions à mener concrètement sur le terrain pour y arriver et selon vous, pourquoi il est important que l'État du Niger accepte l'abolition de la peine de mort Qu'est-ce que le Niger en gagnerait en quelque sorte euh, Il faudrait encore rappeler que la peine de mort n'est pas, la sentence de mort n'est pas du CIASIF. Nous l'avons vu. Avant, on le voyait dans les films. Mais aujourd'hui, nous le voyons dans les grandes villes, des grandes puissances. À chaque seconde, il y a des hélicos qui, en train qui sont en train de chercher des criminels. Ça n'a jamais dû s'y Al-Mustafa l'a rappelé. Aujourd'hui, actuel, les pays qui, à chaque heure, à chaque seconde, on exécute quelqu'un, Aujourd'hui, les infractions et les crimes sont en train de multiplier. On a bien compris cela. Qu'est-ce que le Niger gagnerait si le Niger, le Niger gagnera, uh-huh. le Niger gagnera en respectant la loi fondamentale. Uh-huh. Le Niger gagnerait en respectant la propre constitution que nous nous sommes votés nous-mêmes. Uh-huh. Et le Niger gagnera encore d'être euh, d'être toujours au rang des pays euh, abolitionnistes modernes. Le Niger est un pays responsable, très respectable. Le Niger aujourd'hui a signé beaucoup de conventions, donc le Niger aura gagné encore euh, le, respect des normes euh, institutionnelles, internationales Quelles et nationales. peuvent être les conséquences pour un État qui continue à exécuter la peine de mort Mais les conséquences, je l'ai dit, un État responsable doit simplement respecter euh, les clauses contractuelles internationales auxquelles ils se sont souscrits, mmh. les conventions internationales l'État, c'est un responsable. Nous ne pourrons que dire que continuer notre plaidoyer pour que désormais le Niger puisse abolir la peine de mort. Parce qu'on est à deux pas. Mhm. On l'a toujours dit, on est à deux pas. Il y a le décret de commutation. Le Niger n'a jamais exécuté jusqu'en 2021 un condamné. Depuis 1976, nous sommes donc véritablement vers l'abolition de la peine de mort au Niger. Euh, Al-Mustafa Moussidé, un mot pour terminer par rapport aux actions à mener pour euh, y arriver, c'est-à-dire arriver à obtenir euh, cette révision du code pénal, puisque c'est cela que vous souhaitez. Et il faut rappeler qu'il y a une journée mondiale de lutte contre la peine de mort. C'est la journée célébrée le 10 octobre de chaque année. Euh, oui, Michel, on doit être d'abord optimiste. Moi, je, je le suis. Et on a besoin d'un pays soucieux et respecté des, des droits humains. Mm. Euh, le Niger est en train de le prouver à travers la ratification de plusieurs euh, traités. Et je pense qu'en tant que défenseur des droits humains, c'est que nous devons continuer à résister mm-hmm. euh, à, tout à, tout, à tous ces groupes de, de, pression pour continuer le plaidoyer afin que effectivement nous puissions obtenir ce combat qu'est l'abolition de la peine de mort. Et, convaincu Aujourd'hui, nous avons vraiment des, parlementaires, nous avons eh, des, abolitionnistes engagés. Moi, eh, je suis certain que ce combat, eh, nous allons le gagner. en le gagnant, mhm. nous nous faisons que respecter le droit fondamental le premier droit à défendre, c'est-à-dire le droit à la vie. On vous a bien compris, vous allez donc continuer les plaidoyers, les sensibilisations, autrement dit, vous allez continuer la lutte euh, pour euh, l'abolition de la peine de mort au Niger. On vous a bien compris. Nous sommes donc euh, fidèles auditeurs au terme de ce forum de Studio Kalangu. Nous étions en compagnie de al Garb Ilou. Il est le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Moumoun Al-Fari, président de ACAT Niger, une ONG nigérienne de défense des droits de l'homme qui agit pour l'abolition de la peine de mort au Niger. Il était en ligne au téléphone. Et enfin, Al-Mustafa Moussa Ide, il est défenseur euh, des droits humains, ancien commissaire de la CNDH, la Commission nationale des droits humains. Nous sommes donc au terme de ce forum qui a eu pour thème vers l'abolition de la peine de mort au Niger, avancées et défis. Nous avons également invité le ministère de la Justice à ce forum pour être mieux édifié sur la position de l'État du Niger sur la question, mais ce ministère n'a pas répondu présent à notre invitation. Merci, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation de ce forum à la technique Issa Laoli. Je souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.